La journée de l'élevage a été célébrée le 28 novembre dernier à Kael. Je voudrais vous transmettre l'expression de gratitude des populations du Bawal. Vous avez réussi le pari de l'organisation, mais aussi de la mobilisation. Au-delà, Monsieur le ministre du Réel, je voudrais relever la symbolique. Tout simplement parce que le Kael a une signification pour nous dans le domaine, dans le secteur de l'élevage et le choix du CAEL. Surtout, euh, la manière dont vous avez organisé. Les bergers, très attachés à leur troupeau, mais qui déféraient effectivement au protocole euh, de la République. C'était beau à voir ce que j'ai raconté tout à l'heure euh, à notre grand frère. Donc le choix était sociologiquement pertinent. Monsieur le ministre, j'ai eu à déplorer ici en plénière l'évasion des devises vers les pays qui nous fournissent le bétail pendant la tabaski. Mais je voudrais cette année euh, relever la dimension euh, symbolique, culturelle, traditionnelle du mouton. Le mouton est presque sacré chez nous, euh, culturellement, traditionnellement. On l'utilise lors des baptêmes on l'utilise quand on boo bëggee sagal nit mouton ngay wax So amé gan da nga naan tey dama koy reyal xar Soy tudd xar ngay def bu sa dom génné lël xar ngay def Loy def xar ngay def pourtant man sax béy mo dak xar mais xar dafa am symbole ci ñun et un professeur me disait que problème tension yi xar ñoo indi par contre béy yàppam amul problème mais nous, ñoo mel sénégalais dafa. kon monsieur le ministre autosuffisance en mouton y ñuy wax mbaa yemul un slogan rek monsieur le ministre est-ce que am un objectif pour am autosuffisance en mouton ban date planification est-ce que vous avez en compte autosuffisance en mouton Il voies et moyens ngay pour am autosuffisance en mouton y a une mesure vous nous jël te de temps, vous taxaw ci peu ci sax ay sanctions c'est brebis yi parce que comme que avons am mouton lu brebis, ak bërëb bi euh, premier acte bi nga xam définir dans le cadre de la prévention c'est effectivement les euh, euh, brebis.